Nous sommes aujourd'hui à Ngundian euh, avec nos partenaires USAID, Energy et ONG 3D. Donc euh, une journée qui est organisée par le Forum civil euh, dans le cadre des renforcements de capacité des femmes sur les transformations, transformation des produits céréaliers, la transformation des fruits et légumes. Euh, nous sommes dans une euh, commune euh, minière, une commune où a beaucoup de carrières. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les SM, les femmes de collectifs Minière. Donc pour le projet, c'était pour nous une occasion de les accompagner, non seulement dans ce qu'ils font comme métier, mais également de les sensibiliser sur les enjeux du secteur extractif. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui avec nos partenaires USAID, mais également NRGI, ONG 3D, euh, et surtout également accompagné euh, du service régional euh, du commerce représenté par Madame Diop aujourd'hui. Nous avons formé 80 femmes, 40, femmes en transformation de fruits et légumes, mais également 40 femmes en, transformation de produits céréaliers. Donc nous remercions, nous profitons également pour remercier la, la, mairie de Goudjane, donc le maire de Gundjan Legend, mais également représenté ici par son secrétaire municipal, qui nous a, donné, qui nous a facilité la formation en nous prêtant euh, leurs locaux, mais également en mettant à notre disposition euh, plusieurs matériels. Donc nous remercions également la, commune euh, pour ce geste. Euh, remettre ay dañu leen ci transformation euh, céréales local mais également transformation fruits et légumes euh, gannaaw ay session de formation yi ñu amal ñoom ci wàllu secteur minier mais ñu fekk si leen ñoom ci li nga xam ne moom la ñuy def mooy transformation donc moo tax tey jii nii ñu ànd ak suñu partenaire USAID euh, Énergie ay ONG 3D. mu avons ci boo bo forum civil organisé mais surtout en ci ak ak service régional du commerce du du euh, représenté ici par Mme Diop mais également ci commune de Ngoundiane bi euh, le maire de mettre à disposition du forum civil euh, les salles de formation également